C'est quoi un poisson C'est quoi un poisson C'est quoi un C'est quoi un poisson C'est quoi un poisson Il Ok, il dit, mais un autre type. Hein.